Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Miséricorde, d'avoir compté notre candidat parmi ceux qui vont conquérir à l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain. Malgré les tentatives et manœuvres du régime en place, on a su à valider notre candidature avec brio. De par notre voix, la coalition que 2019 présente leur soutien à tous les candidats qui ont été recalés injustement par Macky Sall et sa machine judiciaire. La coordination des jeunes de Modiké à Touba lance un appel solennel à l'endroit de ces derniers de venir battre le macadam auprès du président Modi qui est un homme capable de brandir le flambeau, porter le combat battre Macky restaurer à nouveau la, justice et la démocratie dans notre Sénégal. Et pour un Sénégal meilleur, la coalition Modique 2019 a mis en place un programme nommé Djam Akhéol, Paix et Abondance, qui s'articule autour de deux axes saillants, avec 19 mesures d'urgence et 28 mesures phares Concernant les attaques des opposants venant de tout bords avec de fausses informations à l'endroit du président nous tenons à éclaircir la lanterne des populations. Et croyez-nous, notre candidat ne roule pas avec le régime. Ce régime d'incompétents qui cherche à tout prix ternir son image car soucieux de son influence et de sa popularité. Le président que demande la voix des Sénégalais pour perpétuer l'œuvre du président Ouad et sortir le pays dans ce gouffre. Soucieux de la malgouvernance et de l'instrumentalisation de la justice, du fort taux de chômage et de la dépendance économique qui gangrène le pays, il s'est investi pour redorer le blason et mettre le pays dans les rails du développement intégré. Nous disons que le président Modikenyan reste et demeure le soir qui rassure. La coordination des jeunes de Modique 2019 à Touba, fait à Touba le, 21 le 21 premier mois 2019. soxna Fatou Ndiolé Diong dëkk Touba Xayra maa ngi wax ci turu soxna moom mi jaxate ah ginnaaw bu mu sante yàlla ak yonent ba ak sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima ak seeni xalifa nee mi ngi sant xale ñëpp ndax ñi ay ndaw lañ yoo xam ne lii ñu jëf tey du jëfi gone kese kon nag mu di leen ci sant bu baax di leen ñaax tam ci plan jàmm ak xeewal bii président Madické Niang ñu gën cee takku gën cee pasteefu gën a yokk seen pas-pas ak seen man-man nee na mu ngi